le forum du studio Kalangu. le forum du studio Kalangu. le forum du studio le Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Mainensoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. La compréhension mutuelle, la culture de la paix, le dialogue entre communautés, entre religions, voilà des valeurs qui contribuent à construire un monde sans problème, votre studio, le studio Kalangou, adhère à ces valeurs. Et c'est dans ce cadre que la Fondation Irodel Bureau Niger, qui gère le studio, a signé une convention de partenariat avec le Comité pour le dialogue inter- et intra-religieux, c'est-à-dire section de Niamey. Les deux structures s'unissent pour promouvoir le dialogue entre les communautés, plus particulièrement entre les différentes obédiences religieuses du Niger. Dans notre premier numéro, souvenez-vous, nous avons parlé du comité pour le dialogue inter- et intra-religieux, section de Niamey, son histoire, ses objectifs, ses actions qu'il a eu déjà à poser et son entendement de la paix et du dialogue, mais aussi du vivre ensemble entre communautés. Ce second numéro porte sur les bases du dialogue selon la Bible et le Coran. Nous mettrons l'accent sur toute la série de formations entreprises par le CEDIR, section de Niamey, pour édifier les fidèles sur l'importance du dialogue pour la Bible et le Coran. Pour en parler, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Cheikh Barham qui va se présenter. Bonsoir Cheikh. Bonsoir, c'est Cheikh Barham Abouakar Hassoumi, Jota. Votre titre Je suis le président du CEDIR pour la autiste de la région de Niamey. Père Antoine Chenu. Le Père Antoine, là je suis membre du CEDIR comme secrétaire adjoint. Pasteur Midou. Effectivement, c'est le pasteur Midou Zakou donc euh, membre aussi du comité de dialogue inter et intra-religieux de la région de Niamey. Après, il y a Sani. Suleiman, euh, je suis secrétaire à l'organisation du comité de dialogue inter-intra-religieux, ces deux régions de Niamey. Il faut dire que le CEDIR, le comité de dialogue inter et intra-religieux, a entrepris une série de formations euh, dans les différentes communes de, Niamey, euh, dont le thème est les bases du dialogue selon la Bible et le Coran. Avant d'expliquer toute cette série, son importance et ses objectifs, on va commencer par nous demander ce que c'est que le dialogue. Cheikh Barham. Oui, merci beaucoup. Euh, le dialogue c'est le fait euh, de se parler, pour le dire euh, terre à terre, de se parler, de, s'entendre, de se comprendre. Mais le dialogue, au-delà du pas franchi l'un vers l'autre, le dialogue, c'est aussi la compréhension mutuelle, c'est le respect mutuel, c'est la prise en compte de l'autre. C'est enfin, le dialogue, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc, oh, le dialogue, c'est tout cela. C'est une définition générale. Qu'est-ce que le Coran dit sur le dialogue Effectivement, euh, le Coran nous dit très clairement euh, de dialoguer, surtout avec les gens du livre, euh, à savoir les chrétiens et les juifs l'islam nous dit, le Coran nous dit plutôt de dialoguer avec eux de façon la plus courtoise possible. L'islam met l'accent sur la courtoisie dans le dialogue avec les gens du livre. Si, en face de, si vous avez en face de vous un, chrétien, quelle attitude vous allez adopter euh, de façon Cette attitude de courtoisie, cette attitude de respect, parce que la courtoisie, c'est quand même euh, le, signe de respect donc de ce, de, de, respect, de ne pas mettre l'accent sur ce qui divise, de ne pas mettre l'accent sur ce qui crée l'incompréhension mutuelle, mais plutôt d'aller vers la diplomatie, d'aller vers la compréhension mutuelle, de taire les querelles et d'essayer de trouver euh, un terrain d'entente. Euh, Madame Zani, vous allez compléter Cheikh Barham oui. sur le dialogue et ce que le Coran dit. Oui, donc euh, vous savez, le dialogue, euh, c'est de dialoguer entre les communautés ou bien, comme Dieu a dit dans le Coran, Adam, Adam Vous êtes tous fils d'Adam. Et lui, Adam, il vient de la terre. Donc, euh, dialoguer entre nous, les chrétiens et les juifs, parce que le Coran a dit, les musulmans sont très proches avec les chrétiens on est très proche avec les chrétiens par rapport aux juifs. Pourquoi Dieu a dit ça Parce que autant temps du prophète Mohammed il n'a jamais eu de problème avec les chrétiens. Aucun problème. Mais il a eu beaucoup de problèmes avec les juifs et, comment dirais-je, les mécréants de la Mecque. Mais vous voyez, par exemple, tous les pays sont confrontés par la crise multiforme et l'incertitude. Donc, il faut dialoguer pour relever l'ensemble des défis. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement du 15 au 16, donc, On va revenir sur les nécessités du dialogue, peut-être euh, au Niger, par exemple. Mm. Euh, merci pour cette définition. Euh, Père Antoine, le dialogue, votre entendement du dialogue, et que la Bible, oui. comment la Bible bon, ce dialogue Le dialogue, on pourrait le, définir comme une, rencontre, une rencontre entre croyants, pour ce qui nous concerne des croyants qui témoignent mutuellement de, la foi qui les anime. Pour le chrétien, le dialogue, c'est inhérent à, la foi. Dieu est le premier qui a dialogué avec l'homme. C'est lui qui s'est approché de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a découvert Dieu comme ça. C'est Dieu qui a voulu s'approcher de l'homme et qui est venu vers nous et qui s'est révélé à nous là. Pourquoi Pourquoi ce dialogue là Parce que Dieu aime l'humanité tout entière et Dieu veut que, tous les hommes euh, soient, sauvés, soient avec lui pour l'éternité. Malgré les différences que, l'on a, c'est sûr, là, il, faut tout faire pour vivre l'union et, la fraternité. Et ça, ça ne peut se faire que dans le vivre ensemble, dans, être ensemble, dans, dans, tout faire pour, s'entendre, pour, s'apprécier, euh, euh, pour, s'animer les uns les autres à monter dans la générosité vers Dieu et vers ses frères. Merci, Père Antoine. Euh, Pasteur Zakou, euh, quel, est le fondement du dialogue selon la Bible euh, Le fondement du dialogue. Tout d'abord, je voudrais tout, juste dire que <laughs> le dialogue, avant d'aller au fondement, à mon sens, c'est la communication. C'est communiquer avec l'autre, c'est parler avec l'autre, c'est échanger avec l'autre de nos points de vue différents. Parce qu'effectivement. Pour, tendre vers l'union Pour tendre vers la compréhension mutuelle, l'union et la fraternité. Parce que quand on regarde un peu euh, à travers la Bible, en tout cas, euh, où se trouvent les fondements du, dialogue, effectivement, comme votre question l'a si bien dit, euh, Dieu était le premier à venir vers l'homme. Lorsque Dieu a créé l'être humain, l'être humain a péché parce que Dieu lui a donné des lois. Mais l'homme n'a pas respecté ses lois, il a péché. Et lorsqu'il a péché, il a fui la présence de Dieu. Maintenant, lorsqu'il a fui, il s'est caché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Au lieu que Dieu l'abandonne, Dieu est venu vers lui pour dialoguer avec l'homme. Dieu est venu lui parler de manière claire pour lui, euh, pour lui faire euh, entendre raison, pour lui dire Ah, tu as péché, mais ce qu'il faille faire, ce n'est pas de te cacher, mais c'est effectivement de venir vers moi. Donc, le dialogue a permis de résoudre le problème même de l'homme. Vous voyez, donc, on peut dire que le dialogue, c'est vraiment la communication. Et nous savons que la, sans la communication, rien ne peut être vraiment fait. Hmm, d'accord. Nous allons toujours continuer avec le dialogue. Cheikh Barham, comment est-ce que le fidèle musulman peut concrétiser ce dialogue Vous avez parlé de courtoisie, c'est vrai, mais de façon concrète, comment ça peut se faire quand vous êtes avec une personne qui n'est pas de votre religion, deux, trois, peut-être une dizaine et des milliers. Oui, tout, musulman doit comprendre que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, comme l'a dit si Sani qui m'a a parlé tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un qui a vécu avec les juifs, il a vécu avec les chrétiens, il a vécu avec les animistes, mais il a aussi vécu avec ce que on appelle les hypocrites, qui sont parmi les gens. Les hypocrites, c'est qui Les hypocrites, c'est des gens qui sont comme musulmans. Ils font ce que font les musulmans. Mais en réalité, ils font d'autres choses. Et, et, et, il était avec les ennemis. Comme quoi Par exemple, il, de... par exemple, ils cherchaient à saboter les fondements de la société musulmane. Ils étaient, ils étaient avec les animistes en réalité, ou bien ils faisaient des pratiques animistes, ou bien ils cherchaient, et euh, ils communiquaient les secrets des musulmans aux animistes ou à, leurs ennemis. Donc voilà les gens qu'on appelle les hypocrites. C'est des gens qui prient comme nous, c'est des gens qui gênent comme nous, c'est des gens qui font tout ce qu'on fait, mais en réalité, ils sont contre ce qu'on fait. Et ils, prenaient les secrets pour aller les livrer à des ennemis, pour saboter la religion quelque sorte. Donc le prophète a vécu avec tous ces hommes-là. Il a su gérer sa vie avec tous ces gens-là. Et comme l'a dit Sani, il n'a pas eu de problème avec les chrétiens. Euh, il y a eu quelquefois des problèmes avec les juifs. Mais vraiment, euh, le musulman doit savoir que euh, il faut garder pied sur terre. Il ne faut pas diaboliser l'autre simplement parce qu'il est différent de vous. Non. L'islam dit que si un associateur mouchrik, c'est le Coran qui dit, c'est un verset coranique qui dit c'est-à-dire si un des associateurs vient te voir, ô oh, toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et te dit, ô oh, prophète, je veux être devenu ton voisin immédiat. Fais-moi place à côté de ta maison, je vais vivre à côté de tes côtés. Dieu dit vite, trouve-lui une place auprès de toi et crée-lui les conditions de sécurité. Voilà ce que dit l'islam. C'est-à-dire, un mouchrik, c'est qui C'est quelqu'un qui ne croit pas au prophète Mohammed. C'est quelqu'un qui ne croit pas à Dieu. Et voilà, le Coran dit au messager si un tel individu vient te voir et te demande une place à côté, à côté de toi, trouve-lui de la place et de la sécurité. Donc voilà ce qu'un musulman doit comprendre que c'est la foi qui compte. Quand tu as la foi, tu peux vivre avec tout le monde et en paix. Sani, quelque chose à ajouter sur euh, le comportement du musulman dans le, pour faire le dialogue Oui. <coughs> enfin, il y a un hadith authentique que le prophète a dit euh, yu'min billahi wa akhir khair Tout celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il n'a qu'à dire du bien ou qu'il se taise. Donc, tout ce que tu vas dire à, un, à ton ami ou bien à ton frère, quel qu'en soit musulman ou chrétien, si ce n'est pas le bien, donc tu n'as qu'à te taire. Pourquoi Parce que eh, il n'y a pas de civilisation d'amitié, de fraternité, de citoyenneté sans dialoguer. Parce que échanger entre vous, entre nous et les chrétiens, de faire des dialogues entre nous et les chrétiens, c'est au-delà qu'on va s'entendre pour euh, avoir un bon chemin pour bien travailler. Par exemple, le comité là, on était avec les chrétiens, on travaille bien. Pourquoi Parce que grâce au dialogue qu'on est en train de faire, nous et les chrétiens, parce que nous, Dieu a dit dans le Coran, comme je vous ai dit, ils sont très proches, les chrétiens aux musulmans, très proches. Parce que nous, on n'a aucun problème, l'islam n'a aucun problème avec les chrétiens. Pourquoi Parce que c'est en faisant des dialogues au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je vous ai dit, il a eu des problèmes avec les juifs. Jusqu'à présent, même, il a eu des problèmes entre l'islam et comment les juifs. Mais avec les chrétiens, mais on n'a aucun problème avec les chrétiens. Pourquoi Parce que c'est des, eh, notre, frères qui sont très proches, comme Dieu a dit dans le Coran. Pasteur Midou, euh, avant de donner la, parole à Père Antoine, euh, est-ce qu'il y a des aspects, euh, enfin des articles qui illustrent le comportement du dialogue par le chrétien <coughs> Effectivement, si je peux me dire, si je peux dire que il y a des comportements parce que le chrétien a été exhorté au travers de la parole de Dieu à aller vers les autres, à ne pas s'enfermer parce qu'il n'est pas seul sur terre il doit avoir cette ouverture spirituelle, comprendre qu'il est, il est lui-même avec d'autres euh, hommes sur la terre et qu'il doit aller vers eux comme Dieu lui-même est allé. Il a donné le bon exemple. Il est allé vers Adam. Et après Adam même, nous avons vu que euh, le prophète, euh, comment l'appelle-t-on, Moïse, Dieu a parlé avec Moïse. Dieu a parlé bouche à bouche avec Moïse, Dieu a dialogué, même quand Dieu l'a appelé à aller vers en Égypte pour voir le pharaon d'Égypte pour lui parler, Moïse ne voulait pas aller. Mais Dieu a insisté, Dieu a parlé et Dieu a même dit à Moïse, va prendre ton frère Aaron. Si toi tu penses que toi seul tu ne peux pas faire. Et Moïse est allé vers Aaron, Moïse a parlé avec Aaron, il lui a dit ce que Dieu lui a dit et il a dialogué avec lui et en fin de compte, Aaron a accepté et il est venu avec Moïse, ils ont commencé le travail. Lorsqu'ils sont allés en Égypte pour parler avec le pharaon d'Égypte, le pharaon, c'est quelqu'un, c'est un mécréant, comme on le dit, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui pensait même que lui-même il est Dieu. Mais Moïse est allé vers lui, Moïse a parlé avec le pharaon, et en fin de compte, le pharaon s'est rendu compte qu'il y a un autre Dieu à travers le dialogue. Vous voyez Donc, nous, pour nous les chrétiens, comme euh, le Père Antoine l'a dit, c'est inhérent, c'est-à-dire ça fait partie de notre vie. C'est une, euh, partie, euh, comment l'appelle-t-on, intégrante de la vie du chrétien. Hmm. Donc, nous ne pouvons même pas vivre sans le dialogue. Père Antoine 30 secondes pour les paroles sont expliquer manifestation même pas histoire de chrétiens, de musulmans dans, dans l'évangile. Tout homme, tout homme est mon frère. Tous il suffit qu'il soit homme, tout homme est mon frère. Et il y a un texte qui est très fort, on trouve en Saint Matthieu, c'est quelques lignes. Il a été dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, c'est fort ça, hein afin d'être vraiment les enfants de Dieu, lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, <clears throat> qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les païens font autant. Si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire Les païens en font autant. Vous donc, soyez bons et parfaits, comme Dieu est parfait pour tous, et qu'il est bon pour tous, miséricordieux même. Merci pour ces définitions du dialogue. Nous retenons que le dialogue, c'est un comportement, c'est de la communication, c'est de la courtoisie, c'est parler, c'est discuter euh, face à face sans aucun problème. Alors, pour, dans le cadre de la promotion de ce dialogue, vous avez euh, au niveau du CEDI, du comité du dialogue inter et intra-religieux, CEDI Niamey, vous avez entrepris une série de formations à l'endroit des, fidèles. Et qui peut me donner un peu euh, quelques explications sur cette série de formations avant peut-être d'écouter quelques fidèles Cheikh Bram, vous qui êtes le président. Je voudrais d'abord préciser, lorsqu'on parle de dialogue, il y a certains individus qui confondent les pédales. Ils pensent que le dialogue, euh, c'est de s'empoigner ou bien de mettre l'accent sur les choses qui, qui divisent les religions. Non, l'islam est à part, le christianisme est à part, le judaïsme est à part. S'ils sont les mêmes, ils ont les mêmes noms. Donc, euh, vraiment, euh, le dialogue, il y en a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle le dialogue d'œuvre, on met l'accent sur les œuvres qualitatives que les musulmans et les chrétiens font dans leur vie quotidienne. Il y en a beaucoup. Vous avez chez les côtés musulmans, les côtés musulmans, la construction de mosquées, des orphelinats. Vous avez côté chrétien, la construction des orphelinats, des, des, églises, etc. Donc, oh, qui, sont des utilités publiques. Donc, oh, il y a aussi euh, le dialogue de vie, tout simplement. Comment le musulman doit apporter sa pierre dans l'édification nationale, dans la vie quotidienne, l'hygiène, l'assainissement, le bon comportement, de, la citoyenneté. Comment faire tout ça Nos religions mettent l'accent sur ça. Donc, si vraiment on s'en tient au livre, au texte de nos religions, on serait des très très bons citoyens qui, n'aiment pas la corruption, qui n'aiment pas le vol, le mensonge, euh, la saleté, etc. etc. C'est important ces différents aspects. on va donner la parole à. Pasteur Zakou, euh, sur les différentes formes de dialogue. Voilà, donc euh, effectivement, comme Père euh, le Cheikh Barham l'a si bien dit, il y a différents types de dialogue parce qu'il y a le dialogue religieux comme nous sommes en train de le faire, il y a le dialogue politique, il y a le, le dialogue social, c'est-à-dire en tant qu'individu, des êtres sociaux, nous pouvons dialoguer les uns avec les autres. Dans la politique, il y a le dialogue politique où les gens dialoguent pour trouver en tout cas les voies et moyens, les solutions aux problèmes euh, politiques. Donc il y a différents types de dialogues et nous, nous sommes en train de faire le dialogue religieux parce que nous sommes des religieux et cela s'y est bien pour nous de parler en tout cas de religion entre nous parce qu'il faut comprendre que le dialogue religieux c'est le ciment même de tous les autres dialogues, en tout cas à mon sens. Parce que nous sommes tous des religieux qu'on soit politicien, en tout cas philosophe, etc., nous sommes tous des, religieux. Et si, en tant que religieux, nous nous comprenons, je crois que les autres aspects iront bien. C'est pourquoi c'est très important de partir sur cette base du dialogue religieux d'abord, avant de parvenir aux autres. Alors, la promotion du dialogue religieux, dans le cadre de cette promotion, vous avez initié une série de rencontres, une série de formations à l'endroit des fidèles. Peut-être c'est Sani qui va nous donner des, explications sur la série de formations. Oui. Qu'est-ce que, que ça contient euh, Qu'est-ce que ça vise Et comment ça a commencé Un peu l'histoire. Hein oui. Bon, vous savez, euh, il y a des gens qui ont mal compris le CDR. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a un musulman d'aller chez un chrétien, c'est comme un péché. Alors que Vraiment, ça, ça, c'est des ignorants qui disent ça. Je vais vous dire une chose. Le, le premier légir qu'on a fait à la Mecque, le premier légir, on a fait ça en Éthiopie. Ils étaient au Légir, légir c'est quoi Légir, hijra, légir. Concrètement Oui, il y a, des musulmans qui, étaient, qui sont coincés à la Mecque. Donc, ils voulaient aller ailleurs. Le prophète, il a dit, il faut aller en Éthiopie au temps de Najashi, c'est un chrétien. Mais le prophète a dit, c'est un gars qui est très bien. Le prophète l'a bien flatté. Mais pourquoi le prophète n'a pas dit d'aller en Égypte ou bien d'aller euh, dans d'autres pays musulmans Mais il a dit d'aller euh, en Éthiopie, chez Najashi. Hein? Donc il a dit, c'est un gars qui est très bien. Ils étaient là-bas, mais Najashi l'a bien accueilli. Hein? Ils étaient bien installés, ils étaient bien nourris. Mais pourquoi il a dit ça Parce qu'il a vu que Nejashi, c'est un gars qui est très bien. Mais alors que c'est un chrétien. Hein, vous voyez Mais à partir de là, mais il a pris les musulmans là, et, les a mis dans de bonnes conditions. Hein. Parce que lui, Comme ses frères Oui. Comme ses proches Très proches, oui, Parce que lui, il n'a jamais vu prophète. Et lui, prophète, lui-même, il n'a jamais vu euh, Nejashi alors que c'est un chrétien. Mais pourquoi elle a dit d'aller chez des jachis Vous voyez, ça c'est une bonne solution. Hein. Mais pourquoi elle n'a pas d'aller dans les pays arabes Donc c'est promouvoir. Oui, c'est pour euh, connaître que eh, ce dialogue-là entre les chrétiens et les musulmans, c'est une bonne initiative. Hein, de dialoguer, de rencontrer pour, euh, pour, euh, pour déraper quelques problèmes quoi, entre nous et les chrétiens. Euh, alors, donc, euh, dans le cadre de, vous avez, je, le dis encore, vous avez initié une série de formations mm. et pour promouvoir justement ce dialogue. notre reporter est allé à une de ces formations et voir les fidèles et il a rencontré un des fidèles, révérend Abdurrahman Karimoun, qui explique euh, ce qu'il retient de, cette formation. Ah, ce que je retiens, c'est que c'est une bonne initiative, c'est des choses à encourager. Euh, parce que euh, nous sommes tous euh, des créatures de Dieu. nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est amour et vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous ne pouvons que essayer de, refléter cette image de Dieu qui est en nous. Donc l'amour, l'entente, parce que Dieu n'est pas un Dieu de conflit, ni un Dieu de guerre. Au contraire, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut que euh, l'être humain vit aussi dans l'amour et que nous puissions nous entendre. Alors ce que j'ai retenu, c'est que ces genres de conférences, nous devons non seulement euh, les multiplier, mais faire aussi grâce à vous aussi, une très grande donc, diffusion pour que ça puisse toucher pas seulement nous qui avons euh, suivi euh, ou bien écouté, mais que nous puissions aussi être donc, des instruments dans nos communautés. Alors ça m'a beaucoup touché, ça a ouvert euh, aussi mon entendement sur beaucoup d'autres choses et je pense que c'est une bonne chose. Pensez, pour vous, c'est important que musulmans et chrétiens puissent dialoguer, puissent s'entendre sur toutes les questions en réalité, oui, c'est important parce que d'abord ici au Niger, nous sommes, nous partageons le même pays, nous sommes ensemble, nous sommes quelque part frères et sœurs, souvent même euh, ici euh, d'une même, lignée. Donc c'est important. Nous sommes obligés de faire cela parce que nous sommes obligés de nous entendre. Euh, nous sommes obligés de, vivre ensemble. C'est ce que Dieu demande. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre thématique sur laquelle l'accent mérite d'être mis à des prochaines rencontres de ces gens Oui, je pense beaucoup, c'est-à-dire c'est de veiller, et c'est une bonne chose que là d'abord nous soyons entre responsables religieux, mais euh, prochainement c'est d'amener aussi des thèmes ou bien d'amener des, ces, pensées où il faudrait un peu veiller sur, sur, les prêches à la radio, hein, qui, qui, touchent à, la radio et dans les, dans les télévisions, qui poussent souvent à certaines révoltes, à la haine. Voilà, vous venez de suivre le révérend Abdurrahman Karimoun au micro de notre reporter Alassane Kouzi Mamadou qui était à la commune 4 où s'est déroulée cette, euh, cette communication, cette formation des, fidèles. Père Antoine, vous êtes content d'entendre ce fidèle euh, magnifier le dialogue, mhm. la paix, Bien sûr, la rencontre entre religieux, notamment musulmans et chrétiens. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire quand même. Alors, ça ne date pas de, l'année dernière ou même du Cédir, ça date de bien avant, mais le Cédir est venu euh, je dirais, concrétiser ça très fort. On a commencé ces réunions il y a, une quinzaine d'années, en fin de compte, hein, au niveau de la mission, là. Et très, très fort à partir à peu près de 2003 où on a euh, fait avec Sheikh Barham et d'autres, là, Halidou par exemple, des, rencontres de, formation sur deux ou trois jours, à Siloé par exemple, où on a touché maintenant, si on additionne, le, ça fait plus de 2000 personnes qu'on a touchées par petite vagues de, de, 30 à 40 personnes. Vous voyez, on a fait des sessions quand même pas mal, hein, auprès des enseignants, auprès des journalistes, auprès de, d'ONG, auprès de, voilà, de, gens qu'on savait s'intéresser à ça. Là pour essayer de, divulguer cette bonne nouvelle-là du, vivre ensemble. Bonne nouvelle du vivre ensemble. D'accepter la différence. D'accord. Cheikh Barham, oui. combien de formations vous avez initiées pour Niamey serait-ce que pour la première vague, il y a eu, euh, à mon avis, 42 émissions radio et télé d'abord qui réunissaient euh, musulmans et chrétiens. Euh, pour ce qui est des formations qu'on venait de terminer la semaine, euh, cette semaine, il y en a eu une dizaine. Deux conférences ou bien deux sessions par commune. Comme il y a cinq euh, communes d'arrondissement à Niamey, donc euh, chacune des communes de Niamey a eu deux formations de dialogue interreligieux. Je voudrais dire quelque chose concernant le dialogue, puisque j'ai entendu euh, un des intervenants de, ces Vous avez écouté le fidèle Oui, le journaliste. C'est vraiment ce que vous voulez entendre Oui, les journalistes disaient est-ce que les chrétiens et les musulmans peuvent dialoguer sur tout Moi, j'ai dit non, on ne peut pas dialoguer sur tout. Dans la mesure où les musulmans et les chrétiens sont d'accord de ne pas dialoguer sur tout. Pourquoi Parce que je venais tout à l'heure de vous donner euh, quelques aspects du dialogue qui touchent la vie, qui touchent les œuvres euh, c'est ça le travail essentiel des religieux, des, religions. Euh, c'est par faire la société, par faire les hommes, contribuer à leur bonheur, à leur épanouissement. Mais il y a des questions qu'on a héritées qui, sont euh, souvent difficiles. On n'est pas obligé d'aller sur ce terrain glissant. On n'est pas obligé. Vous ne voulez pas en parler ici aussi Non, j'ai dit on n'est pas obligé même. Les gens pensent, certains pensent que c'est obligatoire d'aller sur ce terrain. Non. Hmm. On peut en discuter, mais il faut être qualifié pour cela pour parler de ces questions, c'est ce qu'on appelle le dialogue théologique. Tout à l'heure, j'ai parlé de dialogue de vie, j'ai parlé de dialogue d'œuvre. Mais il y a un troisième type de dialogue qui est le dialogue théologique, qui, qui, qui parle des questions euh, qui, qui, différencient ces différentes religions, des questions sur lesquelles il y a encore euh, des, des, discussions. Donc, des gens comme, comme le, comme Papa comme euh, le, le chef d'Al-Azhar, sont qualifiés peut-être pour faire ce genre de dialogue entre eux, mais pas nous autres pas les autres fidèles, il ne faut pas qu'ils s'intéressent sur ce terrain-là. Donc ah, voilà, c'est ce que j'ai. Je voudrais aussi dire que le dialogue, n'est pas seulement théologique, c'est pas seulement le dialogue que nous on mène ici au niveau de ce n'est pas seulement entre musulmans et chrétiens. n'est pas seulement religieux. Non, c'est pas seulement interreligieux, cest entre, religions. Voilà. Oui, absolument, c'est toujours <laughs> ça. Eh, Pasteur Zakou, qui sont euh, les cibles de, cette série de formations qui a été initiée par le CD Niamey euh, Effectivement, nous avons des cibles parce que nous avons des objectifs. Les cibles de cette conférence, c'est tout d'abord euh, les religieux, parce que c'est eux qui parlent, c'est eux qui ont les micros, c'est eux qui vont à la télé, c'est eux qui vont à la radio, c'est eux qui parlent, et leurs paroles sont relayées, ou bien sont relayées, et c'est ce que les gens entendent qu'ils copient, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, premièrement, c'est les responsables religieux. Après cela, nous avons comme cible la jeunesse. Parce que nous avons vu effectivement qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment, comme on l'a toujours dit, c'est le fer de lance de tout, de tout développement, de toute chose d'ailleurs. Parce que les jeunes, c'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont la vigueur, c'est eux qui peuvent agir. Et ce sont eux qui ont besoin d'être cadrés, encadrés pour que, en fait, euh, leur comportement soit réglé. Parce que vous savez que c'est les jeunes qui peuvent rapidement agir. Et s'ils ont une connaissance, s'ils ont la connaissance, c'est facile qu'ils relayent cette connaissance-là, qu'ils vivent de manière digne et que, effectivement, la société soit en paix. Mais si les jeunes ignorent les réalités, si les jeunes ignorent la religion, si les jeunes ignorent en tout cas la vie sociale et les réalités de la vie sociale, c'est très dangereux parce que dans l'ignorance, ils peuvent agir de manière à, créer vraiment des choses terribles, comme nous avons vu en tout cas dans le passé. On va avec Sani sur les objectifs de la formation. Euh, donc, euh, je, euh, que je, je, vais vous dire quelque chose, ce qu'on a fait bientôt à DIFA. Donc, on a parlé. J'ai dit, c'est un triste jour où les leaders qui sont supposés informer, éduquer et créer une entente à une harmonie entre les différentes races, sectes et religions. s'émirent délibérément à provoquer et à exacerber les sensibilités religieuses par des insultes lancées. Pourquoi Parce que vous savez, ça s'est passé, il y a des, dans, les radios, et il y a des leaders qui font des prêches pour insulter les autres sectes. Parce que eh, on a entendu eh, dans quelques radios, il y a quelqu'un qui a dit quand tu salues un chrétien, c'est comme tu, as, commis un grand péché, tu es devenu un chrétien. Vous voyez, ça c'est du conflit. Des leaders religieux qui disent cela Oui, c'est un leader religieux. Il a fait ça dans. je ne peux pas vous dire ça, mais il a dit ça. Donc quand tu salues un chrétien, tu es devenu un chrétien. Vous voyez, ça, ça c'est du conflit aux enfants. ce n'est pas juste, il faut le dire, non Ce n'est pas juste. Par comment Mais quand tu salues un chrétien, donc lui-même, le chrétien est devenu un musulman. Donc lui, le, musulman est devenu un chrétien, lui, le chrétien est devenu un musulman. Alors que ce n'est pas bon de dire ça. Parce qu'il y a des jeunes, hein, quand ils prennent ça, euh, surtout quelqu'un qui connaît pas l'islam, hein, il va mettre ça en tête. Il a dit, ah, moi je ne peux pas saluer un chrétien. Alors que Dieu a dit dans le Coran, ils sont très proches nous. Tu peux aller euh, assister à leur cérémonie, quel que soit mariage, baptême, tout, tout. Hein. Mais pourquoi tu vas manger dire... avec eux Oui, manger avec eux. Hein. Mais pourquoi tu vas quand tu salues un chrétien, tu dis mais ça c'est des conflits qu'on met aux enfants. Hein. Mais alors que si les enfants ont pris ce conflit-là, mais qu'est-ce qui va se passer Ce n'est pas bon. Euh, Père Antoine, il y a, le monsieur a relevé les prêches un peu violents dans les médias, euh, Madame Sani l'a relevé. quel est le mot que vous avez à lancer peut-être aux médias Ça, ça, nous fait souffrir. parce que Ça, démolit ce qu'on était en train de faire. Ça démolit. Et depuis longtemps, on avait, on avait demandé aux autorités qu'ils, qu'ils surveillent bien ça parce que c'est de la zizanie, c'est, de la mauvaise graine, c'est, de la haine qu'on met dans les cœurs des gens. Et, c'est faux. Et c'est fou, C'est, c'est complètement faux. Alors ça, ça nous fait mal, parce que ça va à contresens du, du travail que nous, nous essayons de faire pour mettre cette paix, cette, cette bienveillance, cette courtoisie, euh, qui est également dans, dans notre parole aussi, la parler de façon courtoise et pleine d'amour. Voilà. Mm, mm, mm. Cheikh Barham, un mot à l'endroit des médias Oui, je voudrais, juste continuer sur la lancée de Père Antoine Le Chénu, euh, dire que euh, le dialogue, c'est pour la vise la paix, tout simplement. C'est un dialogue pour la paix entre musulmans et chrétiens, entre musulmans eux-mêmes et entre chrétiens eux-mêmes. L'objectif, parce que vous parlez de l'objectif, l'objectif de tous ces dialogues, c'est la paix d'abord. On ne vise rien d'autre que la paix. Alors, toujours à cette série de formations, nous allons, euh, notre reporter rencontrer une autre fidèle qui a tenu à exprimer son point de vue. Euh, je vous propose de suivre Docteur Bois Angel, qui est du CEDIR euh, arrondissement communal 4, la secrétaire générale adjointe. Les mariages entre les deux, ça existe. Moi-même, je suis un témoin vivant, puisque mon mari, mon défunt mari est décédé, c'est un musulman. Je suis chrétienne et puis j'ai des enfants, j'ai eu des enfants chrétiens je suis venue avec même le Benjamin qui est là, c'est l'âge Abdraman qui est même parti à, la Mecque depuis l'âge de 18 ans, il a 23 ans aujourd'hui. Alors le, les mariages mixtes, je, je connais quelque chose, c'est un peu dur mais il faut surmonter. Ça dépend, le couple a ses problèmes que les les, qu'on s'habitue à respecter ce qui se passe au niveau des couples, qu'on se respecte dans la société, qu'on se respecte dans le pays, dans la nation tout entière et dans le monde entier. Un appel peut-être à l'endroit des chrétiens et des musulmans Voilà. Un appel, c'est que nos leaders religieux ont été félicités et on les encourage justement, comme ils sont les prédicateurs, ils sont des hommes respectés dans les sociétés, qu'ils puissent véhiculer des messages de paix. Quand vous semez quelque chose, vous récoltez justement ce que vous avez sémé. Alors quand on va prêcher paix, paix, paix du matin au soir, en fin de compte, on finira par être en paix. Évitons des mots tels que et euh, euh, euh, ainsi de suite. Des mots, violents. Voilà, des mots violents qui incitent à la haine, au racisme, à l'intégrisme, à la séparation. Voilà, c'est une fidèle que vous venez d'écouter à, la rencontre de la commune 4. Pasteur Zakou, elle a donné l'exemple du mariage, le mariage entre chrétiens et musulmans. C'est permis. Vous allez donner quelques quelques points de vue, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de conclure. Euh, Rapidement, hmm, Pasteur pour dire vrai, effectivement, le mariage entre chrétiens et musulmans, nous l'avons vu. Euh, j'ai été témoin de plusieurs mariages entre chrétiens et musulmans. Mais il faut dire qu'elle a souligné un aspect, c'est difficile. C'est difficile et il ne faut pas se couvrir le visage. Pourquoi mais c'est permis Bon, en tout cas, dans nos livres, ce n'est pas permis en tant que tel. Ce n'est pas permis. Pourquoi Parce que dans la réalité, quand il y a ces, mariages mixtes, c'est-à-dire il y a le respect de l'un et de l'autre. Mais il faut comprendre que fondamentalement, nous avons des différences. Nous avons des différences par rapport à notre foi. Et ça fait que souvent, quand on est ensemble, homme, euh, mari, femme, euh, le mari et la femme, souvent, il y a beaucoup de difficultés que ça engendre. Parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Même quand aujourd'hui nous avons des cultures différentes, quand nous nous marions, ce n'est pas facile. J'ai vu des gens qui se sont mariés avec des gens, euh, des étrangers, c'est-à-dire des, euh, des expatriés, et à cause de leur culture, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la même vision. Donc c'est la même chose aujourd'hui quand nous avons deux religions différentes, parce que l'islam et le christianisme sont réellement différents. Nous sommes appelés à vivre ensemble, mais dans le mariage, ça, ça apporte beaucoup de souffrance. Voilà. On va donner la parole à Père Antoine Chenu. Qu'est-ce qu'il faut pour, euh, pour un musulman chrétien qui se marie rapidement pour justement euh, maintenir la promotion du dialogue entre les, en fait, la révélation, ça s'arrête avec Jésus-Christ pour nous. Donc, euh, le problème islam, mariage islamo-chrétien, ça n'existait pas du temps de Jésus. Il n'y avait pas, l'islam. L'islam est venu 600 ans après, avec Mohammed donc, euh, on ne peut pas dire que ce soit, interdit, ce n'est pas interdit. Mais effectivement, c'est difficile. Et les, jeunes qui veulent se marier chrétiens-musulmans, on, veut bien, on les prépare très très fort et on leur dit attention parce qu'il y a des grosses différences de compréhension de la vie et tout là. Et euh, si vous avez un bon dialogue entre vous, ça, peut, aller. Mais maintenez-vous dans une formation sérieuse, profonde, de façon à, conserver cet amour et cette confiance que vous avez aujourd'hui. Madame Sani donc, euh, vous savez, nous, en islam, un musulman peut euh, marier une, chrétienne, mais une femme musulmane ne peut pas marier un homme chrétien. C'est ça la différence. Par exemple, quand tu prends prophète, il a une femme juive, mariée à Tilkibiya. Vous voyez Donc, euh, dans l'islam, nous, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Arrijal ala qu'est-ce que je peux dire, Comment les hommes, sont toujours supérieurs à des femmes. Parce que si, par exemple, tu peux témoigner, s'il n'y a pas un homme, il faut deux femmes. S'il y a des hommes, il faut un homme. C'est ça la différence. Donc la femme, elle est faible. Pas en général. Quand je dis elle est faible, donc elle, elle n'a pas droit d'aller se marier avec un chrétien. Mais un musulman, un homme, lui, il a droit d'aller marier n'importe quelle femme. Mais à condition si elle a une religion, quelle qu'elle soit juive ou bien mm. chrétienne, ou mm. bien s'il a d'autres. Mais l'islam a permis ça. Quoi. Euh, Cheikh Barham, peut-être, euh, est-ce que c'est permis Et puis surtout, que faire à partir de ce mariage-là pour euh, promouvoir la paix ou bien le dialogue entre les foyers musulmans et chrétiens En tout cas, moi, je dis au niveau de dire, nous encourageons fortement euh, le, mariage mixte entre musulmans et chrétiens, entre gens de toutes les sensibilités, pour qu'il y ait euh, la compréhension mutuelle et la paix. Nos religions, euh, même si souvent elles n'ont pas été explicites, elles ne l'interdisent pas. L'évolution humaine aussi l'encourage parce que aujourd'hui on vit comme dans un village on ne sait pas avec qui on va faire affaire, on ne sait pas avec qui on va vivre dans le quartier, dans la ville, etc., avec qui on, on sera obligé de, faire la vie. Donc, oh, il faut que, il faut pas que, oh, sous prétexte de religion, on, empêche aux gens euh, de se marier. Sani l'a dit, l'islam encourage, l'islam ne refuse pas qu'un musulman se marie à une chrétienne. L'islam dit même que le mari qui a une femme chrétienne doit même l'accompagner à l'église. Oui, l'accompagner à l'église. Vous voyez Donc, on ne comprend pas notre religion. Si tu as une femme chrétienne, tu dois l'accompagner à l'église. C'est ce que les ulémas disent. C'est dans les textes du Coran pour vous dire que euh, cet aspect, euh, l'islam a au moins une compréhension bien précise de, cette question qui, en tout cas, nous l'encourageons, permettra aux gens euh, de vivre en harmonie. Donc, euh, on va conclure sur peut-être les résultats de, de, du en termes euh, de, de, promotion du dialogue. Qu'est-ce que vous avez eu C'est déjà les Nigériens, en, en, tout cas au Niger, musulmans chrétiens sont toujours restés unis, il n'y avait pas tellement de difficultés en termes de relations. Hein? Peut-être qu'il y a eu quelques parenthèses difficiles. Mais rapidement, oui. Résultat. Oui, le résultat. Sur lesquels il faut mettre l'accent. Le résultat en est qu'on a tous ces dires qui, naissent partout dans toutes les régions. On a les cinq communes d'arrondissement qui ont l'air cédir, qui venaient de, finir euh, dix sessions. Hum, il y a ces émissions que nous sommes en train de faire pour vous dire que tout cela n'existe pas il y a quelques années. Donc on peut dire que ça fait partie des résultats. Père Antoine. Bon, ça marche petit petit. Un exemple concret. On avance. Oh, exemple concret. Euh, nous autres, au, niveau du bureau du, du CEDIR, là, on, aime se retrouver, on, se rend visite, on se rend des services, euh, on, essaie de le montrer, on essaie, on n'essaie pas, on, montre, je crois, qu'il est possible de très bien s'entendre entre musulmans et chrétiens. Et moi qui suis là depuis très longtemps, je ne compterai pas le nombre de musulmans qui sont comme de ma famille. D'accord. Madame Zani. C'est un bon résultat parce qu'on était ensemble ici, les chrétiens et les musulmans. Ma première vision, un jour, j'ai eu un petit problème. J'ai appelé Père Antoine. En tant que chrétien, il m'a appelé, il m'a résolu ce problème-là. Vous voyez, c'est un bon résultat. Parce qu'on se connaît eh, au moment qu'on a formé le CDI. Hein? C'est un chrétien, mais je n'ai pas appelé Cheikh Abraham, mon frère musulman, mais j'ai appelé Père Antoine. J'ai dit, j'ai besoin de quelque chose. Il m'a dit, donc tu peux venir ici à l'église. Je suis parti, il m'a donné. Ça, c'est un bon résultat. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. Hmm? Il est chrétien, musulman. C'est pour le tester ah. et il m'a montré ça. D'accord. Euh, Pasteur Zakou, vous avez 20 secondes. Oui, effectivement, c'est important. Il y a beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, chrétiens, musulmans, nous sommes ensemble, nous nous fréquentons. Et moi, particulièrement, ça ne fait pas longtemps, un musulman qui, avant, avait des griefs contre moi parce que je suis chrétien, c'est lui qui est venu. Il m'a vu au marché, il est venu avec sa moto, il m'a pris, il m'a amené jusque chez moi alors qu'avant c'était vraiment. Le dialogue, c'est important. Donc, nous avons débattu du dialogue. Nous retenons qu'il y a plusieurs types de dialogue que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, le dialogue, c'est la communication, c'est la courtoisie, c'est le respect de l'autre. Voilà, merci euh, chers invités d'être là pour ce deuxième numéro. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro euh, pour promouvoir le dialogue interreligieux.